Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Nous sommes sur le meilleur studio un studio d'enregistrement aux côtés de la jeunesse nigérienne. Vous avez certainement l'habitude de kiffer l'émission Tous à la Fada. Une émission conçue par des jeunes pour des jeunes. Une émission donc jeune. Cette rubrique est consacrée à l'art et à ce qui le pratique. Nous sommes sur l'artiste s'exprime. Et aujourd'hui sur ce numéro, nous allons recevoir un artiste pétri de talent, un artiste, chanteur, musicien, beatmaker, réalisateur. Si c'est pas nous, c'est qui Magangi fokulu da hankuri. Ha. ay ha manno ago simbiri nay se halay gaynu wanguno to ay na say bumbo gangino manti fu gangibo manti sagira gangimo digo gahara kar gangino gangyo ay waymano zigo gahara kar nagama aga tuba da go giribira అయిన తలియా తలియా కరలూల హలిగల సారిగింగర్ అయిన కొత్త కేరికర్ అలూల హలిగల సారిగింగర్ తలియా తలియా తలియా తలియా తలియా తలియా కాగా ఫుంజేరో బండే ఐసి ఫుంజేరో బండే కోకియో హరి వల హైని హరి Daré Yes, I Dondi. Dondi, la machine te souhaite la bienvenue sur le studio Kalangu. T'es sur l'artiste s'exprime, on sait que c'est un lieu où les jeunes se brutalisent dans le seul but casser ce qu'on appelle la baraque. Daré, comment tu vas inai se ayi maka aine sikoi igai no noru aine ai sikoi idirgai fali ayne ay sikoy indai diga chandi chandi windi bindi gangi karasin dangi kalkubai idirgai nan zamai wangi ga koi kali koy ye ga gani fongo <laughs> har daga razan musa sikabai <laughs> musa parler justement, Moussa ah, Moussa c'est un register puisque c'est musa saka Et irin Moussa, Moussa kati Moussa karai Moussa Moussa dare ddh director Tobay, Et qui est musa Moussa zabura Appelez-moi désormais Moussa parce que Moussa c'est mon nom, je m'appelle Moussa Mamandare. <laughs> Moussa Mamandare. On t'a connu avec Dare Tobay. Après DDH, explique-moi un peu ce concept après Les jeunes ont envie de savoir. J'avais chanté une chanson. Ah. Donc, de l'ampleur de la chanson, les gens m'ont appelé euh, avec le nom de ma chanson Tobey. Tobey, ouais, ça, ça va de pair. Il a pas de problème. Si on pas, on ne doit pas être con, on doit être intelligent. Tobey Binde est trop intelligent. Ah oui. Donc, après, je suis un Hadia. Comme je le dis, Sunana dans Hadia. in hajjin banza ne ba barkata je mana haba malam ka ji mana wakar da muke yi kuɗi muke ci mana shirishkom comme d'un totale toi te les pauvres t'es top les donc tu passes de côté ah, quoi que tu fasses tu ne peux pas m'arrêter tout ce que tu peux c'est de la rivalité ku bar su da chilling da buzzing da da bar su da avoir ce de commun, de Donc, ce que je voudrais comprendre. Donc, DDH, c'est Daré dans, dans parce que je suis dans Agir. Daré, on va parler un peu de tes débuts, parce que c'est ça un peu la philosophie du premier a pas de problème. Tu as commencé par quoi, Daré J'avais commencé par euh, le clash. Le clash en 2006. 2006. L'association Fofomag et le studio Flo avaient organisé la première édition du Clash Hip Hop au CCFN de Niamey, où j'étais lauréat. Mhm. Donc euh, c'était là-bas, j'ai rencontré Alma Mikoy. Et dès là, du Clash, euh, j'ai bousculé à, l'animation. Mhm. Maintenant, de l'animation, j'ai commencé la musique. Et c'est parti comme ça. D'accord. Donc tu as fait ton clash, après tu es revenu, euh, tu es venu euh, dans le monde de l'animation, ensuite euh, là-bas tu as commencé à chanter. Alors tu te rappelles de ta toute première chanson ou de la toute première musique que tu as interprétée Oui, bien sûr, je me rappelle. Euh, c'était une chanson de révolution. La chanson, le était c'était Young Revolution. Young Revolution. C'était en quelle année C'était en 2007-2008. 2007-2008. Donc ça fait pratiquement 14 ans que tu es dans ce game. 14 ans. Dans ce game sans égratignure. Ouais, Parce que tu t'en sors bien. On voit que les choses ne font qu'avancer. Très bien, Très bien. Très bien. Alors, quelle est la chanson qui t'a fait découvrir Cette chanson qui t'a donné cette visibilité à l'égard donc euh, du monde entier c'était la chanson Ma, une chanson que j'ai fait pour les mamans. Ok. C'est après la sortie de cette chanson que les gens ont commencé à mettre les yeux sur moi. Mhm. Et deux mois après, j'avais sorti la chanson euh, Bertobey. Et qui, qui, qui, qui, était une bombe qui, avait explosé le monde. On va parler de ça dans un deuxième angle. Alors pendant donc euh, tout ce temps, parlons du parcours du combattant. Ah, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés Est-ce que tu as rencontré des facilités Est-ce que tu as rencontré, tu as rencontré, tu as rencontré Parlons euh, de tout ça sur cette émission en quelques fractions de secondes. Les difficultés, on n'en manque jamais dans tous ces ce de la vie. La musique, ça va, ça fait ici au Niger Oui, ça fait très bien si tu sais vraiment comment faire la musique, si tu sais vraiment comment euh, faire tes trucs. Ton business, c'est à toi de le gérer. Mhm. Tu vois un peu, non mhm. Ton business, c'est à toi de le gérer. Quand tu gères bien ton business, ça va te faire des revenus, bien sûr. Mhm. Et, tu pourras vivre de ton business bien sûr. Ok, super. Alors, nous sommes à la fin donc, de cette première partie qui parle de toi pour permettre donc, à tous ces jeunes qui nous suivent à travers les 46 radios partenaires du studio Kalangou. Ok, d'accord, euh, d'avoir une idée de Daré. Ils te connaissent déjà, mais c'est bien euh, beau à ce que le Niger te découvre encore plus, en plus profondeur, parce que le studio Kalangu, je te dis, c'est le Niger. C'est 46 radios qui kiffent cette émission. C'est télévision. Alors, Daré, est-ce que tu as un message à l'endroit de toute cette jeunesse qui nous kiffe, euh, qui regarde cette émission, un message qui vient de toi, propre, tout ce que tu as envie de dire sur ce premier angle Le propre message que j'ai à cette jeunesse, c'est de s'élever, c'est de faire le combat, c'est de travailler. Parce que sans le travail, il euh, n'y euh, a pas de vie. Quoi. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est de travailler et de développer la positivité. Parce que le secret, ce n'est rien que la positivité. Il faut positiver. Quoi qu'il en fasse, quoi qu'il en soit, il faut être positif dans ton corps. Positivons, c'est avec ce beau message que nous allons prendre congé de nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui kiffent cette rubrique à travers le site du studio Kalango, qui suivent aussi cette rubrique à travers l'émission la la fada. Moustapha. Issa Lavali. Seni Isaka. Les humains étaient de l'autre côté. C'était DDH, la machine. Sur ces.